Il a organisé deux forums sur la paix et la sécurité. Deux forums. Il a été nommé par l'OIF, me semble-t-il, pour suivre la crise d'un pays ami et frère, le Mali. Crise issue du tourisme que vit ce pays. Plaise à Dieu que ce qui est arrivé ne nous arrive jamais. Cette loi est dans le cadre de la prévention, elle n'est pas dans le cadre de la réactivité. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a eu des événements... mais ben, si Seydou Diouf a parlé de vol, Quelqu'un qui vole des arachides, c'est pour grignoter. Quelqu'un qui vole du riz, c'est pour manger. Un sale ou un lit qui vole un boubou, c'est pour s'habiller. Mais quand tu voles du gaz, des pointes, tu voles tout, des marteaux, tout ce qui n'est pas conforme à l'ordinaire, mais c'est que tu as l'intention de faire quelque chose de répréhensible. Mais quoi, nul lay ar Terrorisme, mais le Sénégal n'est pas singleton dans, le monde. Au contraire, c'est un pays qui compte dans l'environnement international. Alhamdulillah, on s'en félicite. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Parce que, mais je ne sais pas. Vous savez pourquoi moi j'ai su qu'il y a eu des problèmes Un ami, je l'ai montré à Abou Diallo et à Baklingaïde, m'a envoyé un message de Paris à 3h du matin. Ici, ça devait être 5h là-bas. Il m'a dit, Demba ne vote pas cette loi parce que ça... mais j'étais traumatisé. Je lui ai dit, mais dans quel Sénégal on est Mais lui, moi, il lui final. C'est man, je ne me sens pas. Ah, le problème aussi, c'est que a avez dit, vous avez couvrir tous les Sénégalais. Mais nous, les Sénégalais, les gens il y a des gens de l'opposition samay m'a gagné, il dañuy di Il y a des gens de la majorité qui gars l'opposition. opposition mais il ne faut pas faire croire que réunis, mi ku manifester rek non le droit de manifester publiquement et correctement de se rassembler mais c'est garanti protégé par la constitution de ce grand pays de la République du Sénégal Quel tu pas en cause kon nañu bàyyi di diviser Sénégalais nous man une bonne relation ay bonne relations maintenant ñu ngi commencé nous naan tu es de la majorité boo voté tu mets en cause c' pas bien li ngeen di def baaxul baaxul bu leen jaxase Sénégal li ñëpp ay Sénégal lañ def xoolal fii dañuy kaf di foo di ree mais ku génn naan chien yow gis nga kii man leen mais yéen la ñuy nax c' est comme des supporters de football Ronaldo et Messi ils encaissent des milliards yéen ngeen di réalité avec vos misères ñu ngi fii di kaf di foo di ree di añando bu leen nax sénégalais yi presse bi wax leen sénégalais yi man ak sëñ Abdou on a les meilleures relations au monde man ak Toussaint on a les meilleures bu ñu gëm le sénégalais yi ne ku nekk dafa am paag ak fétal c' pas vrai ku leen nax askan wi askan wi am na déjà ay problème doy leen doy na leen nañ leen wax dëgg li fi voté tey day aar li nar a ñëw parce que pétrole ak gaz ak ñëw terrorisme piraterie maritime mais corne de l'Afrique xam ngeen li fa xew depuis des années et des années man tout petit déjà j'entendais parler de la Somalie et de la corne de l'Afrique yàlla il nañu gaz pétrole nañu denc almet denc gaz yi aar li nar a ñëw pour Sénégal bu ñu piraterie bateau bu nar a explorer pétrole